je voudrais simplement en français. Hein, avec votre permission. rappeler que euh, le protocole. Arrivée du président de la République. Ensuite, le président de la République reçoit le premier ministre nommé dans son bureau. Il le reçoit dans son bureau. Après l'audience, il y a un entretien entre le premier ministre et le président de la République. À la suite, le Premier ministre et le secrétaire général vont sortir et on va écouter le secrétaire général lire un décret nommant le nouveau Premier ministre. Ce que j'avais un peu omis de dire, c'est qu'il y aura une déclaration ensuite mhm. du Premier ministre. Mhm. Et quelques minutes plus tard, le Premier ministre revient avec le secrétaire général pour lire la mhm. liste du gouvernement. Les moins. secrétaire général bi bu liiree décret nomination premier ministre ba pare premier ministre bi day taxaw daal di def déclaration maanaam mhm. ab discours mhm. jàkkaarloo ak askan wi xëy na gërëm sant président de la république waaye wax moom it mhm. lan mooy ay ambition lan mooy ay projet lan mooy ay programme am fan la yaakaar ni war na ko mën a jàppale président de la république ci politique am ak ci xalaatam pour ñu mën fa yóbbu réew mi ci na mu gën a gaawee ndax nag euh, mbir mi amatul taxaw <laughs>